le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du forum du forum du studio le forum du forum du studio forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau euh, numéro euh, du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires euh, disséminées un peu partout à travers les huit régions du Niger. Notre débat de ce mercredi traite de la problématique du cinéma nigérien. Nous parlerons successivement des débuts du cinéma nigérien, puis du cinéma nigérien au stade actuel et enfin des perspectives. Avec nous ce soir, quatre invités. Monsieur Diop Mustafa. Diop Mustafa, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également euh, Djingare Mega. Djingare Mega, euh, bonsoir. Bonsoir il y a avec nous également euh, Monsieur M. Tahirou Di Ato, directeur des études et des projets du Centre national de la, cinématographie du Niger. Tahiru euh, Tahirou Di Diato, bonsoir. Bonsoir. Et Ibrahim Sidibé, qui est lui cinéaste de la nouvelle génération. Ibrahim Sidibé, bonsoir. bonsoir. Nous avons également dans ce studio notre collègue Mariama Diallo, avec qui nous allons conduire euh, ce forum. Parlons d'abord euh, des débuts du cinéma nigérien. Euh, euh, Monsieur Gingarei Maïga, comment est né le cinéma au Niger Bon, tel que je connais les choses, le cinéma est né au Niger grâce à Jean Rouch. Ça, il faut le reconnaître. Parce que c'est lui qui est venu d'Abidjan avec ses acteurs c'est qui jean Jarouche. Est il est Jarouche, mais je ne sais pas comment il est venu, c'est un Français. Il était d'abord ingénieur ici, il a connu le Niger grâce à ses métiers d'ingénieur qu'il a mené ici. Après, il est devenu ethnologue. Et puis, il est venu à Niamey, surtout à Niamey, et il a travaillé dans le cinéma qu'il a inventé à sa façon. C'est comme ça que j'ai connu les choses telles que il nous a raconté, mais Moustapha Diop qui est là peut le plus. Parce que lui aussi, il a eu à causer avec Jean Rouge. Donc, quand il a commencé, il a, mis autour, il a vu autour de lui quelqu'un qui s'intéresse à lui, c'était Damourezika. Le deuxième, c'était Lamdia. Donc, il les a pris comme des amis, mais pas comme des employés. Damour était son petit, au début je crois qu'il était son boy, mais après il est devenu son collègue de travail. L'homme était son chauffeur. D'après ce qu'il voyait, il avait une petite caméra. Il nous disait même que c'est un acteur de cinéma qui lui a payé le, la caméra, euh, qui s'appelle. Euh, il a son nom sur une rue de Paris maintenant. comment, vous, vous avez intégré le cinéma nigérian Il commençait par Jean Rouge. Il faut, parce que c'est lui qui, est parti. On a, tous, on a tous passé par Jean Rouge avant de devenir ce que nous étions. Donc, euh, bon, il a fait son cinéma à sa façon. Il a filmé avec cette petite caméra qu'on lui a donnée. Il a développé. Euh, c'était difficile le cinéma à cette époque-là parce qu'il faut filmer avec la pellicule. Il faut amener ça à Paris. Il faut développer. Il faut monter. Il amène à Niamey. Il montre ça aux gens. Et puis, bon, euh, les gens qui sont avec lui se voyaient dans l'âme et comme il s'appelle Damouré sont très intéressés. Et puis, bon, c'est comme ça qu'il a créé son cinéma autour de lui et il est devenu un grand cinéaste en réalité. Et puis, bon, euh, après, Moussafa l'a rencontré quand il était au musée, parce que son, son bureau était au musée national. Et puis, Moussafa était peintre là-bas. Moussafa le voyait sortir toujours avec une caméra et Moussafa s'est très intéressé à ce qu'il fait. Il s'est accroché à lui. Et j'ai Jarouche comme lui aussi, il aime bien des gens qui aiment son métier, viennent avec lui. Il acceptait Moussafa, il lui dit ça c'est ça, ça c'est ça. Et il est rentré physiquement dans le métier comme ça. Et il a pris la caméra grâce à Jarouche. Il a fait ses deux premiers courts-métrages qu'il a envoyé à un festival. Il a eu un prix. Et puis, bon, on peut dire que c'est lui, Moustapha, le premier cinéaste africain. Vous avez. Ça, c'est en 62. Oui, vous avez connu euh, Mustapha Alassane. C'est comme ça, selon vous, le cinéma africain est né. Euh, euh, Diop Alassane, vous avez vécu. Diop Mustapha, excusez. Vous avez vécu le cinéma nigérien naître ici au Niger comment comme euh, Djingare l'a si bien dit, c'est Rouge qui nous a tous mis le pied à l'étrier. C'est surtout par la façon qu'il avait de nous ouvrir les portes. Quand on était à Paris, si c'était pas Rouge, il y a certaines portes qui se seraient jamais ouvertes. Or, à l'époque, il y avait la rue Monsieur, la coopération cinématographique française, avec euh, Jean-René Debris. Rouge nous introduisait et on avait des moyens. Et je peux même dire, euh, <laughs> il suffisait de, vouloir faire du cinéma et les portes étaient ouvertes grâce à Rouge. Tu veux faire du cinéma Moi, une fois, il m'a amené à l'ambassade du Niger, il, y avait Jory, il dit, bon voilà un jeune Nigérien qui veut faire du cinéma. Il faut l'aider. <laughs> Jory a donné des instructions tout de suite, on m'a donné de l'argent à l'ambassade. C'est pour montrer comment... Moi, je dirais que c'était facile à l'époque. Hein. Moi, en réalité, c'est pas comme ça. Parce que tel que je connais Jarouche, je l'ai toujours connu. J'ai travaillé avec lui en tant qu'assistant. Moi, il m'a jamais donné un copec. C'est lui qui dit copec. Il ne m'a jamais donné. Alors, il donne pas de l'argent. On va, revenir vers Il faut qu'on commence par ça. on va venir. <laughs> Allez-y. Moi, je, retrace mon expérience avec Rouge, c'est tout. Je ne dis pas que euh, ça a été pareil pour tout le monde. Moi, je sais qu'il m'a ouvert les portes, il m'a mis le pied à l'étrier. Et je, je, rencontre une anecdote comme ça parce que je la trouve amusante, mais il y a beaucoup d'autres anecdotes qu'on peut rencontrer, raconter au niveau de, de Rouge. Maria Diallo, vous avez certainement une question à poser à nos invités. Voilà, donc euh, justement par rapport à, Jean Rouge aussi euh, de la facilité qu'il avait à pouvoir donc euh, aider des, des, gens qui s'intéressaient au cinéma. Et est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un de ces acteurs de Umaru Uganda qui entre guillemets, on l'a peut-être entendu, était l'une des vedettes de Jean Rouge. Oui, c'est même euh, lui qui est, une de nos, en même temps un de nos grands réalisateurs, puisque vous savez qu'il y a le Centre culturel Omar Ganda. Il a rehaussé le cinéma nigérien. Je peux dire qu'à l'époque, vraiment, il n'y avait que le Sénégal et le Niger. Grâce à Omar Ganda, avec euh, son, il a d'abord fait Kabaskabo. Il a eu le premier, quand on a, il a eu les talons d'or pour je ne sais plus quel film. Ben, c'était une figure du cinéma, euh, pas nigérien seulement, africain. Ça, c'est incontestable. Nous allons passer la parole à Tahiru euh, Omayakidi Ato, euh, qui est le directeur, général, le directeur des études et des projets du Centre national de la cinématographie du Niger. Vous venez là d'écouter les deux vétérans du cinéma nigérien. Est-ce que ces interventions vous suscitent un commentaire Bon, là, je vais juste compléter le doyen Diop. Je vais compléter le doyen Diop euh, euh, qui parlait de euh, Omar Uganda. Effectivement, Omar Uganda est le détenteur du premier étalon de Yenega en 1972 avec son film Oiseau Polygame. En fait, c'était Oiseau Polygame. Donc, c'était pour le compléter. bon, moi, l'évolution du cinéma, le début du cinéma, nous, les doyens, dès qu'ils parlent de ça, on ne peut rien dire. Parce que moi, personnellement, euh, je suis arrivé au cinéma comme ça, à cause euh, peut-être de euh, doyen Gingremega, dans les années 72 113 Il, il partait dans mon village, Tumfalis, pour nous faire des projections de films. Et il m'a initié à la projection des films sur des projecteurs 16 mètres. Il me faisait surveiller. Et c'est de là que venue la passion du cinéma pour moi. Euh, bon, euh, je ne sais pas euh, s'il faut dire un peu l'évolution. Là, on est dans le début du cinéma. il faut dire aussi que le cinéma qui était je parle sous contrôle des doigts, qui était un art ou euh, un objet de conscientisation des peuples et puis de euh, propagande. Hein. Et je pense euh, ils ne vont pas me contredire. le début du cinéma, au fait, ici, c'était vraiment un cinéma de conscientisation et de propagande. Et je pense que, malgré que ça soit maintenant une industrie, le cinéma, on va revenir à ce cinéma de conscientisation avec euh, la renaissance culturelle pour euh, euh, faire beaucoup de changements de mentalité. Euh, Tahir on va revenir vers vous, le temps de donner la parole à, Ibrahim Sidibé. Ibrahim Sidibé, vous qui êtes de la nouvelle génération des cinéastes, vous venez là d'écouter les, les vétérans du cinéma nigérien. Est-ce que cela suscite en vous un commentaire Bon, j'ai pas grand chose à dire, mais vraiment, je tirerai toujours le chapeau aux anciens parce que moi, mon icône d'abord, c'est Jingare Mega. Et je crois que, en termes de référence, euh, nous avons pas mal d'anciens et nous avons pas mal aussi de, grands cinéastes. Seulement, je voulais vous raconter une petite anecdote qui que j'ai eue en 2013 au FESPACO. Nous étions à l'AMICA quand le Premier ministre burkinabé est arrivé au stand du Niger. Et j'étais le responsable du stand. Arrivé au stand, il allait passer, il a regardé, il a dit Niger. Il est revenu vers moi il dit le Niger, le Niger. Il dit mais vous en tant que pionnier du cinéma, pourquoi vous avez chuté C'est quoi votre problème Qu'est-ce qui ne va pas avec vous Vous devrez être une référence en Afrique, mais on ne vous retrouve pas. Qu'est-ce qui ne va pas J'ai dit excellence, c'est une question de personne. Il a dit il faut que je vienne au Niger personnellement. Si les choses vont bien, nous allons en parler. Euh, euh, euh Mega, nous allons revenir euh, vers vous. quels sont vous qui avez vécu naître le cinéma nigérien Quelles sont les multiples péripéties qu'a connu le cinéma nigérien depuis sa naissance Vous savez, les cinéastes d'avant, nous tous qui sommes devenus cinéastes, nous sommes venus au cinéma par passion, par amour. Vous comprenez C'est pas un métier qui était au Niger. Les gens ne connaissaient pas le cinéma au Niger. Moi, en 1958, j'ai 18 ans, mais 18 ans déjà, j'aimerais faire du cinéma. Quand je vais dans les salles, je regarde les films et je me demandais comment il faut faire pour devenir cinéaste, tout ça. Je me posais la question. Donc nous tous, moi, Diop, Moussa Farah, nous tous, on peut dire c'est par hasard et c'est par passion qu'on est devenu cinéaste. Et bon, comment le cinéma est venu ici Le cinéma n'a jamais été financé par le gouvernement du Niger, de Yuri jusqu'à peut-être maintenant, correctement, à part <clears throat> Maintenant, on peut dire bon, si, parce que il y a eu le Centre national de la cinématographie qui est là, mais qui ne répond pas tellement aux attentes des cinéastes. Il faut le reconnaître. Mais bon, nous, comment on est venu au cinéma et on est resté cinéaste, on a fait des films, c'est grâce à notre courage et notre détermination et notre persévérance. Il faut le reconnaître. Parce que le Géant n'a jamais été un pays du cinéma tous les gouvernements qui se sont succédés, à part le gouvernement, il faut le dire, il faut appeler les choses par le nom de Mohamed. Ce n'est pas un gouvernement qui a donné à Centre national de cinématographique. D'ailleurs, on peut le vérifier parce que c'est lui qui est au centre. 150, combien 170 millions de budget. C'est ce qu'on a appris. Hein. Avant, c'était 50 millions. Le centre est créé au moment de 5e République ou c'est le 6e qui est parti là 5e hein? République avec 300, euh, 300 millions ou 600 millions. 300 millions que le président Tanya a eu à donner au cinéaste pour créer le Centre national de la cinématographie. C'est là où ils sont est Et mais depuis que le centre entraînés, il y a eu beaucoup de cinéastes aussi, des jeunes cinéastes, mais qui ne sont pas formés malheureusement. Et on a besoin de la formation pour ces jeunes-là. Bon, il y a des choses que vraiment, si on le dit, c'est comme si on est contre les gens, mais c'est la vérité. Il faut, bon, faut en passer, il faut, il faut évoluer. Allez-y. Mariama, vous avez une question Vous parlez euh, du manque donc, de formation de ces jeunes euh, hmm. cinéastes. Monsieur Djingaré, est-ce que euh, des cinéastes, des jeunes cinéastes sont venus une fois vers vous Est-ce qu'une fois, vous avez reçu quand même Non, jamais. Ce pas les cinéastes. Là, le centre est créé. Le centre est là. Les centres peuvent dire, Djingaré, vous avez une expérience du cinéma. Venez, vous allez nous former un jeune, des jeunes. Ils ne l'ont jamais fait. c'est pas à moi d'aller vers eux. Moi, aujourd'hui, j'ai presque 80 ans et je travaille. Je suis en forme, Dieu merci. Mais si les gens viennent voir moi, je vais les aider. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux. Quand on dit à un jeune, voilà, tu as 2 ou 3 millions pour faire un film, il se débrouille tout seul pour faire son film. Et après, il se casse la gueule. Parce qu'il va se casser la gueule, parce que le cinéma, c'est un métier très difficile. C'est un métier qui a besoin d'être besoin d'être euh, formé, d'être, euh, on appelait, euh, savoir le travail, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ça, il ne faut pas il faut, le cinéma, on ne l'invente pas. Hein. Nous, allons donner, nous allons donner le, la parole à Tahirou Meya qui venait là d'entendre euh, le vétéran euh, Djingare Mega. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Centre national de la cinématographie du Niger a les moyens de sa propre politique Bon, euh, sincèrement, le Centre n'a pas les moyens de sa politique. Tout à l'heure, le doyen Gingare avait parlé euh, des moyens du centre. Le centre, il faut dire que les moyens qu'il a, c'est la subvention. Et il a une subvention de fonctionnement. Parce que le centre euh, de la cinématographie nationale est un EPP, un établissement public euh, à caractère professionnel, qui est dirigé par un conseil d'administration paritaire c'est-à-dire l'administration publique est là et les professionnels du cinéma sont là avec nous c'est comme ça on, euh, dirige le centre. Euh, pour les moins, tout à l'heure, euh, le doyen l'a dit, effectivement, il faut reconnaître à ce régime les moyens qu'il a mis à notre disposition. la subvention, ce n'est pas un secret. Hein. en 2012, on avait eu 115 millions de subventions. En 2013, on a eu 150 millions de subventions. En 2014, on a eu 130 millions de subventions. En 2015, on a eu 117 millions de subventions et en 2016, on a 109 millions de subventions. Donc, on a, vous avez vu. Et, que, euh, oui, c'est en dents de comme on dit. mais euh, malgré les manques de moyens qu'on a, euh, on arrive à faire des interventions. Dans la même période où je vous ai dit les subventions accordées, on a donné des appuis. Parce qu'il faut qu'on s'entende très bien on n'a pas un fonds pour financer le cinéma. Donc nous, on appuie le cinéma. Et on a deux sortes d'appuis. Il y a les appuis en matériel et logistique et les appuis euh, financiers. Donc dans la période de 2012 à 2015, on a appuyé en matériel et logistique les cinéastes nigériens de l'ordre de 60 222 000. Et au premier trimestre de l'année 2016, on les a appuyés à l'ordre de 4 470 000. Ça, c'est toujours en matériel. Et en appui financier de 2012 à 2015, on les a appuyés pour 21 056 000. Et au premier trimestre, on les a appuyés par 4 595 000. Donc, vous voyez. Et il faut dire que euh, les besoins sont énormes, comme disent les économistes. Les besoins sont énormes mais les ressources sont illimitées. Euh, nous allons donner la parole à Diop Mustafa qui, n'a pas encore parlé. Euh, Diop, euh, euh, Mustafa, vous, avez vu naître le cinéma nigérien. depuis sa, naissance, quelles sont les multiples péripéties qu'a connu le cinéma nigérien selon vous Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon camarade Dingare, c'est-à-dire que pour faire du cinéma, il faut avoir la fibre je crois qu'on commet une erreur en pensant que certains diplômes universitaires, ça fait un cinéaste. La fibre, ça veut dire quoi C'est quoi la fibre La foi, comme il l'a dit, c'est-à-dire le courage et tu n'es pas intéressé par d'autres choses extravagantes. Tu es, un artiste. C'est ça. Si tu si c'est pour faire du, commerce, hein, tu vas à Katako, tu vas du savon, je, je ne sais pas quoi. Mais quand tu as le feu sacré, c'est ça la chose la plus importante. Et ce n'est pas parce que je crois qu'on est en train de commettre cette erreur de croire que plus tu as un diplôme universitaire, plus tu es destiné à être signé cinéaste. C'est faux. Il n'y a aucune école au monde qui forme un réalisateur. On forme des assistants. C'est sur le terrain que tu vas montrer que tu es réalisateur ou pas parce que tu auras fait. Donc, Diop Moustapha, nous allons revenir faire vous le temps de donner la parole à Ibrahim euh, Sidibé. Vous venez là d'entendre Yop euh, Diop euh, Moustapha. Quel commentaire son intervention suscite en vous, surtout quand il dit que ce c'est pas pour devenir riche qu'on devient cinéaste Je suis vraiment très touché que mon aîné et mon papa vraiment a pu dire ça aujourd'hui parce que le cinéma, le cinéma nigérien ou bien le cinéaste en général ne devient jamais riche en faisant du cinéma. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la passion, vous n'avez pas l'amour, vous ne voulez pas faire le sacrifice, vous ne pouvez jamais faire de cinéma. Parce que moi, je crois que j'ai quand même pas mal de choses que j'ai vues. Ici, je peux citer le vieux Dingare qui est là pour finir son vendredi noir, a vendu sa villa pour finir. Je peux le confirmer ici. C'est pour dire que un cinéaste ne devient jamais riche. Quand on voit un cinéaste dans une 4x4, c'est qu'il fait quelque chose d'autre. C'est pas le cinéma. Parce que le cinéma en lui-même, tu auras une renommée, tu auras une personnalité, tu auras du charisme et tu auras de la valeur humaine. Mais ne t'attends pas vraiment à avoir la manne pour dire que tu vas flirter, non. Dans le cinéma, ça n'existe pas. vous avez quelque chose à ajouter rapidement <laughs> C'est-à-dire que je voulais faire une réponse à Taïro, parce qu'effectivement, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. L'argent qu'ils ont pour le fonctionnement, ce n'est pas ça qui va faire, qui va permettre de réaliser des films. Parce que même quand ils font des efforts pour, comment on appelait, euh, subventionner des cinéastes pour achever leur œuvre ou pour débuter, ça, ils ont tort de le faire. Parce qu'ils sont là pour faire fonctionner l'état de la culture nigérienne, culture cinématographique, avec ce qu'ils ont, les salaires, etc. Mais maintenant, ce qu'ils devront faire, c'est de se battre pour avoir de l'argent, pour financer, pour euh, euh, produire des films, des fictions. C'est ça qui faire ça, le rôle du centre. C'est pour cela que le centre est créé. Le centre n'est pas créé seulement pour avoir euh, un budget de 150 millions et puis rester à partager ça avec. Pourquoi partager avec les gens Les gens n'ont pas droit, un franc dans ça en réalité. Parce que c'est pour le fonctionnement du centre. Mais maintenant, il faut faire la politique des choses. Il faut, faire la, il faut se battre pour trouver de l'argent ailleurs. Pourquoi ailleurs les gens trouve de l'argent pour réaliser. le cas du Mali, tu le connais. Le cas du Sénégal, on le connaît. C'est pas le budget. Ils ont un centre aussi, comme le, comme le Niger. Mais c'est pas le budget de fonctionnement qui, qui fait qu'ils ont de l'argent pour réaliser des films. Non. Vous pouvez poser votre question, je vous écoute. Euh, vous avez, vous avez certainement euh, quelque chose à ajouter euh, très rapidement. Oui, là, c'est vraiment, je suis très à l'aise qu'ils disent qu'il faut se battre pour avoir euh, euh, des moyens euh, pour appuyer davantage les cinéastes nigériens. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, je me souviens, en, juillet passé, en juillet 2015, on est rentré en coproduction avec One, M111 de Kano pour tourner une série de Warisha de l'ordre de près de 400 millions de francs CFA. Donc euh, euh, la partie nigérienne sera de 100 millions. Et on est là en train de se battre pour faire ça. Et puis tout à l'heure, il a parlé euh, du fonds de la production industrie, cinématographique audiovisuelle du, Sénégal. C'est un fonds, en 2014, on leur a alloué un milliard pour ça. En 2015, on a alloué un milliard. Et avant-hier, je viens d'apprendre mon collègue du Sénégal que cette année, on va leur allouer 2 milliards. On va revenir vers vous, Maria Diallo. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, l'intervention donc euh, de tout un chacun, moi, me fait penser à une question fondamentale. Le cinéma donc euh, fait partie de la culture. Et on sait que la culture devrait être au début, à la fin de tout développement. Le cinéma ici au Niger aujourd'hui, tel que euh, on vient de, le définir, c'est vrai que le cinéma c'est par amour, mais est-ce que ça veut ça veut dire qu'au Niger il n'y a pas d'espoir qu'un jour le cinéma puisse constituer constituer une mamelle euh, de, l'économie nigérienne Bien sûr, bien sûr. Euh, la réponse euh, vers Gingare bien sûr. Prenons un exemple sur les États-Unis. Diop a étudié le cinéma mieux que moi parce que lui, il a été dans une école de cinéma pendant trois ans. Moi, je suis allé dans une école comme ça, tu vois. Et on a passé des, des, moments avec des Américains, avec des Suisses, avec des Français et tout, en forum comme ça, on parle du cinéma. Et prenez l'exemple du cinéma américain. Qu'est-ce qui a fait le développement de l'Amérique si ce n'est pas le cinéma pas le cinéma. Au Nigeria aujourd'hui, c'est quoi C'est le cinéma. Ils sont en train de nous envahir. Non, j'ai pas fini, pardon, s'il vous plaît. Ils sont envahis de nous envahir ici. Ils ont pris notre marché ici. Nous, on ne peut même pas faire de cinéma. C'est les dans les listes dans les marchés, dans les sur les télévisions, parce qu'ils n'ont pas de salles. Ils s'en foutent des salles. Ils réalisent des films, ils les mettent sur le marché, avec les DVD, les gens achètent ça va au Nigeria, au Niger, parce que le Niger, c'est la même langue. On va, on revenir, on a un point à développer par rapport à la ah, consommation. Hein. Euh, Diop Moustapha, rapidement, juste 30 euh, secondes. Fondamentalement, le cinéma, c'est un art. C'est un art et c'est une industrie. Qui dit industrie dit bénéfice et tout. Dès l'origine euh, du cinéma, que ce soit les, les gens ont pris ça, c'était un truc de foire, mais pour en faire une industrie. Bon, maintenant, ce qui, ce qui nous guette comme danger, c'est de c'est l'aspect, euh, si vous voyez les feuilletons qui, n'ont rien de culturel, qui sont des fast-food. C'est des choses, consommation rapide, tu jettes. Alors que ceux qui se, savent qui, ont la flamme, ils veulent plus que ça. C'est pas quelque chose à consommer et qui soit jetable. Merci, messieurs. On poursuit ce forum dans un instant. poursuivons ce forum consacré au cinéma nigérien. Nous venons de voir comment est né le cinéma au Niger. Parlons maintenant du cinéma nigérien au stade actuel. Euh, comment se porte le cinéma nigérien aujourd'hui Tout le monde le sait, euh, à part Djingare qui est très prolifique et puis les jeunes qui, viennent avec euh, certains, apparemment avec euh, une certaine flamme, je pense que il y a des, des lueurs qui se dessinent. Il faut que tout ça soit accompagné par une volonté politique nationale. Tant que l'État ne veut pas euh, montrer sa volonté politique, toutes ces bonnes volontés-là, ça va s'éteindre petit à petit. C'est comme ça que ça nous est arrivé après la mort de Maruganda le, le retrait de mustafa Alassane comme producteur avant les jeunes et avec Edingaré. Bon, il faut que l'État montre sa volonté. Créer un centre, c'est une bonne chose. Ils l'ont relevé. C'est une, c'est une marque de volonté politique. Mais on s'arrête à mi-chemin. Il faut que cette structure trouve de l'argent pour, le, pour la production. Mais il faut aussi que les cinéastes se disent que, comme au Burkina, ce n'est euh, le centre n'est qu'une étape. Le centre aide à trouver plus dehors. L'argent, quand euh, Idrissa fait un film d'un milliard, il ne trouve pas un milliard au Burkina. Mais la volonté politique de son pays est telle que souvent, une simple lettre qu'on donne à un cinéaste, qui, ou avec peut-être un fonds d'aide de 10, 20 millions, c'est comme ça que ça se passait au Burkina. Le gars, il sort, il va taper à des portes spéciales que nous connaissons tous les autres, ils veulent, ils vont mettre leur bille dans le jeu parce qu'ils ont vu que ton pays t'a aidé. Même si c'est minime, symbolique, 10 millions ou quoi. Ah, ce pays, il est pauvre, mais il a quand même mis 10 millions là-dedans. Lui, il va se fouiller, il va t'aider. Donc ce qui me semble le plus important, c'est la volonté politique manifeste d'un pays si on veut que les choses décollent. Gingre Mega, euh, comment, euh, selon vous, se porte le cinéma nigérien à l'heure d'aujourd'hui euh, <clears throat> Il faut le dire que le cinéma nigérien se porte très mal. Hein. Il ne faut pas passer par mille chemins. Le cinéma nigérien, les gens sont là, ils tâtonnent. Parce qu'il n'y a pas que aller vers le président de la République, gagner un peu d'argent et faire un film. J'ai dit, il faut alimenter le Centre national de la cinématographie. Et le centre-là doit faire la politique du cinéma au Niger. Ceux qui méritent d'être un film, il faut leur donner les moyens de faire un film. Le cinéma, c'est pas seulement, c'est pas seulement de l'art, mais c'est un moyen de communication, c'est un langage hein, Il faut quand même euh, reconnaître, qu'il faut donner toute sa valeur. Si on veut que le cinéma soit une industrie, il faut vraiment mettre des gens qui sont là et qui, comme on appelait, qui acceptent de travailler pour le cinéma et pour l'évolution du cinéma. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais présentement, vraiment, c'est pas du cinéma qu'on fait. Moi, j'ai fait aujourd'hui huit longs métrages. Dieu le sait. Mais comment je les ai faits Difficilement. Et je vais continuer tant que je suis en bonne santé. Parce que j'aime le cinéma. Parce que j'ai fait le cinéma par euh, vocation. C'est pas par euh, parce que je voulais m'enrichir. Non. Mais euh, il faut qu'on arrête à, vraiment à faire comme on appelait allez-y. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, quand on parle de, de, des problèmes du cinéma, peut-être actuel, on a la nouvelle génération avec nous. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de, fond dans la réalisation de ces films tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire des films. Mais il n'y a pas seulement l'argent, il y a aussi la volonté, et il y a la technique, il y a le courage, il y a tout ça qu'il faut mettre ensemble pour travailler. Mais tu ne peux pas faire un film si tu n'as pas les moyens en réalité de faire travailler les autres. Parce que c'est difficile. Tu ne peux pas faire venir un acteur, tu ne peux pas venir un, technicien travailler avec toi à longueur d'une journée sans le payer. Non, ça, ça n'existe pas. Mais il y a autre chose que ça, c'est-à-dire la volonté politique que l'État doit mettre en marche. Ibrahim Sidibé, vous qui êtes euh, cinéaste de la nouvelle génération, comment se porte selon vous le cinéma nigérien euh, au jour d'aujourd'hui Je, n'irai pas à l'encontre de ce que disent mes aînés. Le cinéma nigérien va très mal. Et autant des anciens, ils étaient soudés. Il faut toujours le, dire. Parce que pour faire du cinéma, il faut que nous soyons un bloc. Mais quand nous, allons à, à rang dispersé, nous forçons tous les calculs. Et je crois que pour la la question financière du cinéma, aujourd'hui on peut résoudre le problème au Niger, mais en faisant quoi Aujourd'hui l'État ne signe pas d'accord culturel avec les partenaires ou les organismes. Et cela est un handicap pour le cinéma ou soit la culture en général, parce que la culture a besoin de soutien des bailleurs de fonds qui peuvent faire plus que l'État, parce que l'État ne donne qu'une petite contribution pour le développement de la culture. Mais pour appuyer la culture, l'essentiel est que l'État s'acharne à signer des accords de partenariat culturel avec les organismes, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, quand vous déposez un dossier dans un organisme, on vous répond dans la lettre, qu'est-ce qu'on vous dit votre projet, votre projet est bien louable et vraiment très serviable et très noble. Mais nous sommes au regret de vous dire que lors de la rencontre avec euh, l'État, l'État a suscité que ce n'est pas une priorité. Donc l'État ne fait pas de la culture une priorité. Mariam, vous avez une question Allez-y dans la réalisation des films, la, thématique, je dirais plus, la thématique, par exemple, quand on prend Jingare Meiga, on, retrouve toujours le mot noir. Et vous, la, nouvelle génération, est-ce que quand vous faites la comparaison de ces films au film d'aujourd'hui Vous pensez qu'il y, a, vraiment euh, euh, toujours euh, ce lien qui est gardé, ce souci de, véhiculer un message fort, non seulement du continent africain, mais aussi des valeurs culturelles de notre pays, le Niger Bon, je crois que d'abord, j'aimerais revenir encore au vieux Djingare pour lui dire merci pour ce qu'il fait d'abord pour notre culture. Parce que tous les films de Djingare, quand vous regardez, vous tirez quand même une leçon et à la nigérienne, je ne dirais pas à l'africaine, vous tirez une leçon à la nigérienne. Et ce qui fait que il est obligatoire pour nous de faire du cinéma purement local et parler de notre culture. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de faire quelque chose qui va correspondre à un film français. Tu vas sensibiliser qui Ça aura quel impact Ce n'est pas d'utilité. Aujourd'hui, faisons des films qui vont parler d'abord de notre culture, qui parleront de notre réalité, qui ramèneront nos enfants sur la voie de la droiture. Et tel que a dit euh, le tonton Diop tout de suite, il dit que c'est des films, euh, le thème m'échappe, euh, de consommation, des fast-food. Et à quoi sert un truc de fast-food pour un Niger Aujourd'hui, on parle de renaissance culturelle. Donc c'est pour dire que d'un côté, on a faussé la, la, base. Donc il faut revenir à la base pour redémarrer le moteur et que nous puissions avoir maintenant la ligne droite. Au lieu de copier-coller, essayons d'intégrer le, réalisme de, de, notre culture. Euh, Tahir Meyaki Diato, euh, euh, vous venez là d'entendre euh, tous les, les, autres, tous les trois, ils ont relevé, relevé, que malgré la contribution, la cote-part de l'État, le cinéma va mal et cette cote-part n'est pas suffisante. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Oui, je vais réagir d'abord à, à C'est-à-dire, quand on parle de cinéma ici, au fait, euh, deux sortes de cinéastes. Il faut qu'on s'entende très bien. Je parle sous le contrôle des doyens. Parce que nous, quand on dit cinéaste, vraiment, on voit les réalisateurs des films de fiction. Et il y a une génération de réalisateurs de documentaires. Donc, euh, c'était pour apporter un peu de réponse. Maintenant, euh, pour la volonté politique, je pense que la volonté politique y est, mais il faut qu'on nous donne beaucoup de moyens. C'est ça les douanes veut dire euh, la politique la politique euh, est là mais euh, il faut un peu de moyens. par exemple, la contribution du cinéma, de l'audiovisuel et de la photographie au Niger, suivant les statistiques de l'INS en 2010, est de 5 milliards 601 millions pour un ordre de 0,21% du produit intérieur brut. Et tout à l'heure, vous parlez, euh, mademoiselle Diallo parlait euh, de l'industrie. On peut faire de l'industrie on, voit très bien. au fait, il faut qu'on s'entende très bien pour les appuis ou bien pour les subventions ou bien pour le financement. Tout à l'heure, le doyen Diop l'a dit. Nous, on pense que si on vous donne 10 millions pour vous appuyer dans un film, c'est que vous pouvez lever 100 millions à 10%. C'est ça le cinéma, logiquement. Euh, Maintenant, non, je reviens, je continue. Hein. Il faut que. Euh, prenons l'exemple de notre euh, grand voisin, le Nigeria, tout à l'heure, l'ancien a parlé de ça. Avant-hier, on a eu des statistiques. Le secteur de l'industrie cinématographique du Nigeria pèse 853 milliards de Naira, soit 7 milliards de dollars ou 3600 milliards de francs CFA. Et il contribue pour 1,42% du PIB emploie directement 1 million de personnes et serait le deuxième employeur du pays après l'agriculture. Malgré la récession budgétaire au Nigeria, cette année, ils ont 6 080 milliards de Naira, soit 27 milliards d'euros pour 17 685 milliards de francs je pense que vous avez compris. Euh, Diop, euh, oui. Mustafa, on va vous donner la parole, mais sous un autre angle. Euh, selon vous, pourquoi les consommateurs. Pourquoi il faut, laisser, laisser le revenir. Bon, bon, parce rapidement, rapidement, rapidement. ça me semblait, ça me semblait important parce que c'est le souci de savoir quel genre de cinéma nous voulons et quel public nous voulons viser. Je crois que c'était une de ces conditions. Je voulais savoir fondamentalement Bon, ici, j'ai un problème parce que le cas du Nigeria, les, autorités publiques ne sont pas impliquées. C'est le secteur public. Et euh, c'est totalement le secteur privé. C'est-à-dire, c'est une industrie mercantilisée au, maximum. On fait de l'argent avec le cinéma. Et le cinéma est noyé en tant qu'art là-dedans. Il faut faire de l'argent. je ne sais pas si c'est ce, genre de cinéma qu'on veut imposer ici. Moi, je, je ne sais vraiment pas, mais il faut réfléchir à la question quel genre de cinéma nous voulons, compte tenu de nos problèmes particuliers, et pour quel public. Euh, le débat est ouvert. Moi, je ne peux pas donner de réponse maintenant. Je sais simplement que je me pose la question chaque jour. Est-ce que c'est Dingare qui a raison Est-ce que c'est lui qui a raison Est-ce que c'est moi qui, vois les choses de travers Ainsi de suite. je n'ai pas de réponse encore. Euh, euh, euh, pourquoi les consommateurs nigériens s'intéressent beaucoup plus aux films étrangers que ceux réalisés ici au Niger Bon, c'est pas les films étrangers, c'est les films des Nigériens. Vous comprenez Moi, j'ai je droit au but. Parce que les de aujourd'hui, ils ont envahi notre marché. C'est parce que nous, on ne fait pas beaucoup de films. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des films en même temps comme eux, ils le font. C'est-à-dire des films d'alimentaire les consommations locales, là où les gens regardent, ils rient. Les gens peuvent le faire, mais le cinéma, c'est vrai, c'est la volonté, c'est le courage, mais il y a aussi l'argent qui est, comme on appelle, on n'a pas d'industrie. Non, non, tous nos gouvernants qui sont venus sont jamais intéressés pour appliquer dur que le cinéma, là, il faut le développer, il faut que le cinéma rapporte quelque chose. Vous comprenez Vous mettez... Bon, ils ont eu à mettre des gens devant le cinéma qui sont servis ça, c'est mauvais, ça n'avance pas, ça ne nous est jamais euh, amené loin. Et si ça continue à être comme ça, ben, on va rester là. On va faire le cinéma comme moi je le fais, c'est-à-dire faire des films pour faire plaisir aux Nigériens. Parce que le cinéma, pour moi, euh, c'est quelque chose. Moi, j'ai mis dans, la tête qu'il faut faire des films pour faire honneur au Niger et l'honneur n'a pas de prix euh, vous qui êtes de la nouvelle génération, pourquoi les Nigériens, les consommateurs nigériens, euh, les cinéphiles s'intéressent plus euh, aux films euh, venus d'ailleurs Bon, là c'est parce qu'il y a un manque. Nous ne réalisons pas beaucoup, nous ne produisons pas beaucoup. Et cela est un facteur qui joue beaucoup sur le cinéma parce que normalement, pour un pays comme le Niger, chaque semaine, nous devons avoir une affiche chaque semaine. Mais il faut combien de temps pour voir un nouveau film au Niger 3 4 mois et on veut que les 3 à 4 ans, ans. Et on veut que les choses évoluent, et on veut que les Nigériens acceptent leur culture. Non, je reviens un peu à M. Ato tout à l'heure, quand il dit qu'il y a Monsieur quand il dit qu'il y a deux catégories de réalisateurs, moi je dirais tout simplement que la, catégorisation des réalisateurs n'est pas un, euh, un problème, mais c'est de dire on peut produire de la fiction, mais purement de la réalité nigérienne. C'est-à-dire que quelque chose qui peut avoir un impact positif sur la population. Vous avez parlé tout à l'heure au début de votre intervention de la renaissance culturelle et du fait que les choses euh, changeront avec cette renaissance culturelle. Comment euh, Les choses changeront parce que euh, c'est le cinéma est l'un des deux ou trois piliers de la renaissance culturelle. Donc, euh, euh, je profite pour répondre effectivement au doyen euh, Diop que... Y a-t-il un budget Y a-t-il peut-être des, innovations Y a-t-il quelque chose que vous pourriez peut-être nous dire ici maintenant qui peut-être... Non, il y aura, l'innovation, on est là-dessus. Oui, allez-y. Hmm. il vient d'être 18h passé de 55 minutes. On poursuit le forum dans un instant. Enfin, troisième et dernière, partie de notre émission, elle est consacrée aux perspectives du cinéma nigérien. Monsieur Mega, le cinéma nigérien a connu des hauts et des bas. Euh, que faire pour améliorer davantage ah, Le cinéma nigérien n'a jamais connu des hauts. Hein. C'est toujours des bas. Ça, je vous le dis en toute connaissance de cause. Parce qu'il ne faut pas qu'un cinéaste se lève aujourd'hui avec 5-6 millions pour dire qu'il va faire un film et croire qu'il va aller. Non, il s'arrête là il va faire son premier film, il va arrêter encore 10 ans pour faire un autre film. Donc, euh, où est le haut Il n'y a que des bas. C'est pas parce que moi je me casse la gueule, j'ai pris le cinéma comme vraiment un métier qui me nourrit et qui rapporte quelque chose pour mon pays que les gens pensent que le cinéma est avancé dans ce pays. On est allé nulle part, on, travaille juste en réalité pour, pour dire qu'on fait des films, mais ce c'est pas des films qu'on fait. Les films, c'est le Nigeria qui fait des films. La preuve, ils ont envoyé notre marché. Même nos télévisions ne sont que mettre les films nigériens à longueur de journée, gratuitement. Tu vas au marché, tu trouves euh, les DVD à 300 francs. Moi, si je trouve mon DVD 300 francs ailleurs, je vais me fâcher. Parce que je sais que j'ai mis beaucoup d'argent pour faire un film. Les Nigériens, ils ne mettent pas tout cet argent pour faire des films. Euh, Diop, euh, Diop Moustapha, que faire pour améliorer davantage Il faut déjà éviter de faire du moi je veux dire ça, du populisme, c'est-à-dire du, du, roman de gare très répandu, ce que j'appelais fast-food, chercher la qualité. Ça, il faut. Et ça, c'est des gens qui ont le feu sacré, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, des buts purement lucratifs, des buts mercantilistes. Et ça, c'est la première des choses. Il faut éloigner ceux qui veulent simplement venir s'enrichir dans le cinéma et ceux qui, ont, qui voient toute la portée culturelle de, cet art-là. Et sans cela, peut-être qu'on peut rejoindre les gens qui veulent faire la renaissance culturelle. Ibrahim Sidibé, très rapidement, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on, faut-il rester optimiste quant à la renaissance euh, du cinéma africain, nigérien Bon, la renaissance culturelle, pour le moment. Rapidement. La renaissance culturelle, est, la renaissance culturelle à travers le cinéma, si j'ose le dire. Je crois que euh, on espère bien que cela porte vraiment un fruit, parce que nous ne voulons pas seulement rester au discours. Et nous, au Niger, on en a marre des discours. Et je crois qu'il faut changer. Euh, nous allons, tarou, Mayaki, très rapidement. Euh, faut-il rester optimiste quant à la renaissance du cinéma nigérien Rapidement. Oui, je pense qu'il faut être optimiste. tout à l'heure, le doyen Gingere dit que le cinéma n'a connu que des débats. Non, euh, il faut reconnaître que vous avez euh, travaillé dur euh, jusque dans les années 80. le Niger et la locomotive avec le Sénégal. Donc peut-être les 20 ans les 20 ans de léthargie. Non, non, vous n'allez pas me couper. Les 20 ans de léthargie en ce moment-là, c'est nous-mêmes qui faisons nos films avec nos moyens de bord. Le Niger n'a pas mis un rôle là-dedans. L'argent, c'est maintenant que les gens gagnent de l'argent pour faire du cinéma. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Diop euh, Mustafa, euh, Djingere Mega, tous deux de l'ancienne génération, Tahiru Mayaki et Ibrahim Sidebe pour parler de la problématique du cinéma nigérien. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.